le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou auditeurs et auditrices du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du studio Kalangou. Une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés par un réseau de 33 radios partenaires à travers le Niger et ceux du lundi au vendredi de 17h à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15 minutes. L'interrelation entre démographie et changement climatique au Niger, c'est le thème au menu du forum de ce soir. Quels sont les liens entre les changements climatiques et la croissance démographique? lequel des deux phénomènes, démographie ou changement climatique, influence l'autre, quelles sont les principales conséquences qu'engendrent ces deux phénomènes sur la population nigérienne, y a-t-il un avantage quelconque pour l'homme dans cette combinaison démographie changement climatique, comment tirer profit de cette combinaison, comment garantir l'équilibre entre ces deux phénomènes. Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous avons des invités. Tout d'abord, Dr Nou Abdelmoumouni, expert démographe et directeur pays de l'initiative Oasis organiser l'avancement des solutions au Sahel. Bonsoir, docteur Nou. Bonsoir. Nous avons à ligne euh, Sani Ayouba, qui est coordinateur de l'organisation non gouvernementale Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Bonsoir, Sani, vous êtes avec nous. Bonsoir euh, les auditeurs du studio Kalangou. Bien, merci à vous euh, d'avoir honoré donc ce rendez-vous sur la thématique interrelation démographie, changement climatique. Présentation de cette émission à la cousine Mohamed. Bonsoir à tous. Le forum de ce soir, je le disais tantôt, porte sur l'interrelation entre démographie et changement climatique au Niger. Démographie et changement climatique, deux phénomènes qui focalisent les attentions sur le plan mondial alors que la démographie permet de renseigner sur les dynamiques d'évolution des populations dans le temps et dans l'espace avec tout ce que cela comporte comme corollaire, le changement climatique, quant à lui, prouve si besoin est que le réchauffement dû à l'émission des gaz à effet de serre est une réalité. Pour sa part, le Niger est confronté à ces deux réalités. D'une part, le Niger possède l'un des forts taux de croissance démographique, 3,9% par an, et un indice synthétique de fécondité de l'ordre de 7,6 enfants par femme. D'autre part, le pays fait partie des pays en voie de développement qui subissent de plein fouet les caprices du dérèglement climatique se caractérisant entre autres par des sécheresses, des inondations. Alors je m'en vais commencer euh, peut-être avec vous, euh, Sani Ayuba, en direct avec nous en ligne. Sani, si lien il y a, quels sont les liens qu'on peut déceler entre les changements climatiques et la croissance démographique Disons que le phénomène du changement climatique a un impact réel en tout cas par rapport en cas de croissance démographique, parce que vous savez, cela affecte euh, non seulement les... Et Sani, on vous entend mal nous allons revenir au studio par la, liaison téléphonique euh, à des défauts. Docteur Nuhu Abdul euh, je posais donc la question à Sani Ayouba qui s'y connaît un peu euh, dans le domaine des changements climatiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien assez important entre les changements climatiques et la croissance démographique euh, dans un pays donné euh, merci pour votre question. Je tiens, comme toujours, euh, à présenter mes remerciements pour cette occasion qui m'est donnée de parler de ce sujet sur vos antennes et aussi d'adresser mon bonjour à nos auditeurs parce que ce que nous disons n'a de sens que s'il y a des gens de l'autre côté qui, qui nous écoutent. Donc, euh, de première vue, on peut dire tout de suite qu'il y a un lien entre la croissance démographique et le réchauffement climatique. Parce que d'après ce que les experts ont avancé, le réchauffement climatique est dû à des actions, en partie au moins des actions posées par l'homme. Mais il y a une partie de, l'équation qui reste inconnue parce qu'on sait que le système, euh, globalement, l'univers n'est pas stable et qu'il est en mouvement, que la Terre aussi change de position, le Soleil aussi est en mouvement. Donc obligatoirement, cette transition de long terme peut aussi expliquer un certain nombre de choses. Mais à court terme, il est clair que ce que nous faisons en termes d'utilisation de, bois de chauffe, en termes euh, d'utilisation de bois pour la construction, en termes de recherche d'espace pour l'agriculture, en termes de recherche d'espace pour l'élevage, de manière globale, nos modes de, consommation vont obligatoirement avoir des impacts sur les ressources. Je rappelle les ressources qui sont limitées. Mm. parce que la terre n'est pas aussi euh, euh, une réserve sans limite. On sait que ce que nous consommons en termes de, poissons, en termes de produits d'élevage, en termes de produits d'agriculture, l'exploitation forcée et extrêmement poussée des terres, tout cela a globalement des implications. Et ces facteurs que je viens de, de, souligner, obligatoirement, ils vont avoir euh, une importance encore plus grande en fonction du nombre de gens qu'on doit nourrir sur la Terre. Donc globalement, on peut répondre en disant que oui, plus nous sommes nombreux, plus notre impact sur l'environnement est plus grand. Mais cela cache aussi d'autres réalités que hein, je préciserai plus tard. Bien. Euh, Sani Ayuba, vous êtes avec nous Là. Bien, vous étiez en train de, de donner donc un certain nombre euh, d'éléments euh, pouvant expliquer le lien qui pourrait exister entre changement climatique et démographie. Oui, justement, je disais que quand on prend les cas palpables de notre pays, qui est un pays saharien ou sahélien, et un pays où quand même on dit la femme nigérienne bat les records en termes de natalité, donc ce n'est plus, on n'a plus les mêmes disponibilités parce que plus la population est grande, plus les besoins sont énormes. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qui, impacte durablement les ressources, toutes les ressources dont nous, dont nous disposons. Donc avant, peut-être que les Nigériens ne sont pas assez nombreux par rapport à maintenant. Donc ce qui fait que les ressources qu'on a du fait qu'on est nombreux, on a une empreinte écologique très importante en termes de gaspillage, en termes de euh, d'émissions de gaz à effet de serre. Ah, vraiment, en tout cas, l'homme, en tout cas, le fait qu'on soit nombreux, fait en sorte qu'on a, on dégrade considérablement l'environnement. Et cela ne fait qu'accentuer ce phénomène. Et on se rend compte que plus ce phénomène est accentué, plus c'est les populations qui sont vulnérables qui vont en pâtir, qui vont souffrir de plus. Donc euh, c'est pourquoi euh, nous pensons que il peut y avoir ou bien il doit y avoir des solutions pour que dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, on puisse tenir compte également euh, de, la capture, comme on dit maintenant le termes, c'est la capture du dividende démographique. Mm. Donc comment faire en sorte que les ressources qu'on a puissent nourrir ou bien puissent être suffisantes pour les générations actuelles et les générations futures dans ce contexte euh, Lequel de ces deux phénomènes, notamment croissance démographique, euh, changement climatique, influe le plus sur l'autre non, euh, euh, nous, nous pensons que euh, déjà le, changement climatique, c'est un phénomène qui, qui, n'est pas observable jusqu'au bout de quelques années, c'est des dizaines d'années. Donc aujourd'hui, depuis l'ère industrielle jusqu'à maintenant, c'est des émissions qui ont été émises depuis longtemps. Donc nous sommes en train de sentir maintenant les conséquences. Actuellement, nous, nous ne sommes plus dans des projections, nous vivons au quotidien les conséquences du changement climatique. Donc, et plus maintenant, plus il y a une forte croissance démographique, plus cela ne peut qu'accentuer davantage aussi ses conséquences parce que notre empreinte, comme je l'ai dit, euh, l'impact que nous produisons sur l'environnement, l'impact négatif bien sûr, va s'accroître parce qu'aujourd'hui il y a, peu, de civisme par rapport à l'environnement, par rapport à la, protection de l'environnement. Et aujourd'hui, avec même la découverte des, des énergies fossiles ou l'exploitation, aujourd'hui le Niger, il y a des années, ne produisait pas n'exploite pas le pétrole. Aujourd'hui, c'est chose que fait. On a euh, l'exploitation, on a la raffinerie. Donc, euh, on sait que c'est des activités aussi qui émettent énormément de gaz à effet de serre. Les terres qu'on a, nos terres sont très dégradées il y a la sécheresse souvent, il y a également des cas d'inondation. Tout ça, c'est des impacts qu'on peut lier au phénomène du changement. Donc, je peux dire que, en tout cas, les deux sont vraiment ensemble. C'est pourquoi on ne doit pas les dissocier dans la lutte. Aujourd'hui, tous ceux qui font la démographie, tous ceux qui font des actions sociales dans le domaine de, du dividende démographique qu'on cite maintenant, ils doivent faire en sorte qu'ils tiennent compte euh, de cette question du changement climatique. C'est pourquoi nous nous saluons en tout cas l'effort euh, ou bien euh, toutes les contributions de l'initiative Oasis que Docteur nous représente parce que moi j'ai eu à plusieurs reprises depuis l'université de Berkeley suivre de près tout ce qu'ils font en termes de, de faire les liens qu'il y a pour sensibiliser davantage les jeunes, pour donner des compétences aux acteurs pour qu'ils tiennent compte dans la planification, dans les actions de développement, à ne pas dissocier ces deux phénomènes et trouver des solutions durables pour avancer. Bien. Nous revenons à vous, docteur Nouhou euh, Abdul Donc, Sani euh, le disait, il y a ces liens euh, qu'on ne doit pas dissocier entre changement climatique et démographie. Et la question à se poser surtout, c'est comment faire pour justement profiter du nombre élevé de populations euh, pour euh, faire face justement à ces changements climatiques. Sani parlait de capture et vous, vous parlez des dividendes démographiques en ce sens. Euh, merci beaucoup pour la question. Je vais rebondir là où Sani s'est arrêté. je rappelle que Oasis s'est organisé l'avancement de solutions au Sahel, ce qui sous-entend qu'il y a déjà un certain nombre de solutions qui sont proposées par de nombreux acteurs. Mais l'essentiel pour nous, c'est de pouvoir donner de la cohérence à ces différentes actions. Et ce faisant, nous plaçons la population au cœur de notre action. Donc, au-delà du lien mécanique entre population et changement climatique, je pense qu'il faut maintenant préciser un certain nombre de détails et de décliner les choses et préciser qu'en réalité, au-delà du nombre, c'est aussi notre mode de consommation qui est en jeu. Il y a quelques années au Niger, le nombre de gens qui ont des motos dans les villages, on peut le compter. Mais aujourd'hui, vous remarquez, Niamey commence à se saturer avec des véhicules importés de tous les côtés. Et bon, les gens aussi, de plus en plus, ont des possibilités d'avoir un certain nombre de revenus et donc améliorent leurs conditions de vie. Et ça, ça m'amène à faire le lien directement. En fait, une grande partie du changement climatique est liée aux questions de développement. Et sur ça, nous avons des statistiques fiables qui le montrent. Par exemple, si vous prenez des pays comme euh, le Canada, comme les États-Unis, ce sont des pays dans lesquels l'empreinte écologique se chiffre à environ, par exemple pour les États-Unis, à 16,5 tonnes métriques de carbone, de dioxyde de carbone par habitant. C'est qu'un habitant, par exemple, des États-Unis émet en termes, de, sa consommation. Si vous prenez un pays comme le Canada, on est à 4,3 tonnes métriques de dioxyde de carbone par habitant. Et si vous prenez un pays comme le Niger, et là comme on parle des indicateurs par habitant, vous vous retrouvez avec des 0,09 tonnes métriques de dioxyde de carbone par habitant et par an. Très très très bas. Très bas. Donc ce qui veut dire que au-delà du nombre, ce sont nos modes de consommation. Ce sont des pays ultra-utilisateurs de l'électricité, ce sont des pays ultra-utilisateurs de produits euh, euh, manufacturés, les conserves, ainsi de suite. Ce sont des grands consommateurs de produits électroniques qui aujourd'hui en vogue et la situation ne fait que, d'une façon globale, s'aggraver. On veut toujours avoir plus de confort, on veut toujours extraire beaucoup plus de la terre, ainsi de suite. Et donc, si vous prenez de ce point de vue, c'est plutôt nos modes de consommation. Et cela va nous amener peut-être à la fin de l'émission de préciser les mesures qui peuvent être prises pour solutionner la situation ou bien euh, d'une certaine mesure, en tout cas un peu atténuer ce processus. Nous allons euh, revenir à vous, Sani Ayuba, Vous êtes toujours avec nous, allez oui, oui, oui, oui, oui j'ai bien donc, suivi. donc vous avez effectivement suivi le docteur euh, dans son raisonnement, euh, notamment le fait que euh, le, le, nombre n'est plus tout, seulement en cause, mais notre mode de consommation et, doit aussi être, être vu. il n'est un secret pour personne que dans les pays en voie de développement, la croissance démographique est le plus élevée. Cependant, ces pays en voie de développement contribuent le moins au réchauffement climatique en comparaison aux pays développés. Alors, Sani, est-ce qu'on peut penser que si la démographie influe négativement sur le changement climatique, cette influence est moindre En fait, aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, on parle de ce qu'on appelle la responsabilité commune mais différenciée. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus partir du postulat que il y a de cela des années, des décennies, l'Afrique euh, n'a pas, pour n'a pas contribué aux émissions qui sont euh, responsables du changement climatique actuellement. Mais aujourd'hui, nous regardons tous ensemble pour trouver des solutions communes. Que ce n'est plus, en tout cas, euh, ce n'est plus les émissions actuelles là que nous, que, que, nous vivons, mais il faut que les gens comprennent que nous devons tous trouver des solutions vers une mode de consommation sobre en carbone. Ça réduit considérablement les taux d'émission de gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Hmm. Ça, c'est une des choses. Deuxième des choses, c'est que nous devons nous dire que nous avons le droit au développement, c'est clair. Donc, parce que eh, beaucoup de pays ont passé par euh, euh, nos étapes actuelles, notre niveau actuel, pour accroître avec l'industrialisation, pour un peu se développer. Donc nous, nous ne pouvons pas aussi occulter notre droit au développement par rapport pour la lutte contre les changements climatiques, mais nous avons pris des engagements pour dire que nous allons faire des efforts. Et c'est pourquoi au niveau de la communauté internationale, nos pays les plus vulnérables qui n'ont pas, qui ne sont pas responsables en tout cas d'une grande partie, demandent à ce qu'il ce qu'on appelle un transfert de technologie pour que le type de développement que nous allons employer soit un développement un développement sobre en carbone, un développement qui va s'effectuer contrairement au développement, euh, au chemin suivi par les États-Unis, par l'Europe, par beaucoup de, pays développés. Donc c'est pourquoi euh, nous pensons que la lutte contre le changement climatique peut représenter ou bien peut être comme euh, une opportunité pour nos pays pour suivre un nouveau type de développement, pas le même schéma suivi par les autres et qui s'est avéré euh, catastrophique en termes de conséquences, notamment sur le climat. Sur l'environnement, exactement, exactement. Donc c'est pourquoi, même lors des COP, les conférences des partis sur le changement climatique, les débats se posent à ce niveau. Donc il faut qu'il y ait un transfert de technologies, il faut qu'il y ait un financement pour permettre à ce que nos communautés euh, euh des compétences ou soient plus résilientes face au climat changeant. Et également, dans le cadre de notre design, du, schéma de développement que nous allons euh, choisir, que ce schéma soit vraiment en accord avec les principes du développement durable. Donc, euh, il y a des principes qui font en sorte que les les, les, les marchés carbone et, donc, il nous amène à dire que non, c'est vrai, nous devons nous développer, mais nous pouvons prendre d'autres chemins. Donc, des solutions existent. Comme le disent euh, ces de, Oasis, donc il y a des solutions qui existent. Nous devons trouver ces solutions-là et pas suivre les schémas classiques de l'utilisation des énergies fossiles pour polluer aussi, pour dire qu'on a le droit de polluer pour être à un niveau de développement comme les autres c'est vrai, mais aujourd'hui, la technologie fait en sorte qu'on a d'autres possibilités de nous développer sans pour autant pourrir, donc réduire considérablement notre impact de l'environnement. Et de cela, c'est pourquoi euh, il les liens encore avec la démographie revient. Parce que plus on est nombreux, plus cela euh, représente un autre défi considérable. Donc nous devons faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à l'information nécessaire, que tout le monde puisse comprendre qu'il y a urgence, qu'il y a nécessité euh, d'utiliser par exemple les nouvelles sources d'énergie et, qui sont renouvelables, qui ne sont pas polluantes, que les gouvernants aussi puissent dans la planification mettre l'accent vraiment sur, sur ces nouveaux schémas et que la communauté internationale aussi puisse orienter les fonds nécessaires à nos pays pour l'adaptation et, non uniquement l'atténuation. Parce qu'aujourd'hui, le challenge aussi, c'est à ce niveau, entre l'adaptation et l'atténuation. Il, faut, il y a plus de fonds pour l'atténuation alors que nous, nos pays qui sont vulnérables, qui subissent, on a plus besoin de fonds Sani, excuse-moi de, t'interrompre. Il y a nous qui, euh, euh, en train de montrer le doigt. Il voudrait intervenir euh, sûrement sur un des aspects de tes propos. docteur Noua Abdelmoumouni. Oui, euh, merci beaucoup. Euh, je voudrais remercier Sani pour euh, vraiment le point qu'il a soulevé et peut-être c'est ici l'occasion de saluer ce que fait les jeunes volontaires pour l'environnement, notamment une de leurs entreprises que j'ai beaucoup salué, cette promotion des, des fours euh, à balles de riz. Donc, cela montre que de manière globale, nous sommes sur la même longueur d'onde, que malgré notre faible émission de CO2 comparée aux autres pays, c'est maintenant qu'il faut s'asseoir et puis poser les bases d'un nouveau type de développement. C'est vrai que le modèle qui a été adopté sera différent cette fois-ci de celui effectivement, déjà je pense par les autres pays. Effectivement, je pense que c'est ça qui est maintenant euh, à la mode. Il faut essayer de voir comment nous pouvons proposer des actions éco-responsables et puis d'aller vers un nouveau type de modèle et ça revient toujours au style de vie. La manière dont nous nous comportons envers notre environnement explique en partie notre empreinte carbone que nous laissons. Donc globalement, les liens entre la population et les changements climatiques, je suis tout à fait euh, d'accord avec Sani que c'est un lien indéniable, mais je précise toujours qu'il faut décliner et puis voir les modèles de développement que nous voulons nous imposer. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'action isolée en termes de population, d'action isolées en termes de développement. Aujourd'hui, on parle le plus communément de population développement. Bien que nous avons centré nos interventions sur la question de la population, cela n'occulte pas notre regard envers les autres dimensions. Donc ici, si vous regardez de manière globale, on a un stock de population qui agit et donc autant on peut agir sur ce stock, autant on peut agir sur la manière par laquelle il agit sur l'environnement. Juste, je voudrais le rappeler, il est encore aujourd'hui accepté communément par la communauté des chercheurs qu'un enfant qui naît en Suisse, il coûte à la Terre plus que 15 enfants qui naissent dans un pays comme le Niger. Donc, ça, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas, parler, euh, on peut pas fermer les yeux, même si les autres pays aussi ont des engagements qu'ils ont pris. Mais de manière globale, ça veut dire que si on doit considérer le problème, il faut que, je lisais un des postes de Sani qui disait que there is no planet B. Ça veut dire que si il n'y a, pas une autre planète, et nous n'avons pas un autre plan et que nous partageons la même planète. Donc ça veut dire que les efforts que nous faisons au niveau interne, il n'a de sens que si aussi nous avons autant bien que mal une petite marge de pouvoir pour aussi dire quelque chose sur les, ce que les autres font. Aujourd'hui, il y a eu toute cette mésentente à propos de, de la COP 21 à Paris et puis les propos de Donald, de Donald Trump. Trump. Donc euh, tout cela montre que malgré le consensus, il y a encore toujours de la marge pour appeler la communauté internationale à plus d'attention parce que si des pays comme les États-Unis sont en train de mettre en mal l'initiative globale par la communauté internationale, ça veut dire qu'il y a encore des pas à franchir. Alors, euh, docteur, j'ai envie de poser cette question. Est-ce que euh, c'est là, euh, est-ce qu'on peut se hasarder pour dire que des pays comme le Niger, ou reconnus pour avoir des, taux de fécondité très élevés, est-ce que leur croissance démographique peut jouer en faveur euh, de, de, ces pays pour notamment euh, faire face au changement climatique, et ces faits, aider même les autres pays qui euh, émettent plus de, gaz à effet de serre et puis d'empreintes carbone. Bien sûr, si on revient sur l'assertion que nous vivons sur la même planète, mais seulement ce qu'il faut souligner pour le Niger, c'est comme si vous avez l'exemple des, des véhicules à marche. Il y en a qui progressent lentement mais qui sont gros mais il y en a qui sont petits et qui progressent très rapidement. Et donc le taux de croissance de la population nigérienne qui aujourd'hui a environ 4%, le dernier chiffre du recensement il était de 3,9%, moi j'ai dit 4%. C'est comme si c'est un véhicule qui fonce, même s'il est petit, bientôt on sent qu'on n'allait plus avoir le contrôle sur la vitesse. Et donc c'est maintenant qu'il faut agir et puis trouver des solutions. Je pense que les, les, rythmes de sécheresse le démontrent clairement que nous vivons au quotidien les effets des changements climatiques. Auparavant, on peut mettre 5 ans, 6 ans, 7 ans pour avoir une euh, sécheresse, mais depuis 2005, le rythme est devenu beaucoup plus fréquent. Quasiment une année sur deux, c'est toujours une année déficitaire en matière de production agricole. Donc ça, ce sont des effets inévitablement qu'on ne peut pas euh, euh, occulter ou aux effets des changements climatiques. Et notre nombre je pense qu'elle ne fera qu'augmenter. Mais malheureusement, nous n'avons pas de ressources qui progressent. Donc, de ce point de vue. Le nombre représente un défi euh, en termes de bouche à nourrir. Effectivement, c'est un défi en termes de bouche à nourrir, mais aussi un défi en termes de notre capacité à mettre en place des politiques viables. Aujourd'hui, vous voyez toujours les gros camions qui rentrent dans la ville de Niamey avec des chargements impossibles de bois. Mais personne ne dit rien ou bien quasiment rien et ce sont les populations qui vivent dans les centres urbains qui consomment ce bois. Aujourd'hui, pour construire, on sait la quantité de bois que les gens utilisent quasiment dans les communautés rurales, alors qu'il y a quelque part, c'est la même planète des pays qui ont de grandes forêts, qui ont mis en place des systèmes pour couper et régénérer la forêt avec qui on peut importer. Mais si vous regardez toujours notre couvert végétal est à régression d'année en année. Les sécheresses ne font que revenir plus fréquemment. Nous avons tout récemment à ah, eu l'accès à ce pétrole qui nous donne du gaz pour la cuisine, le butane. Mais regardez ce qui se passe quasiment. Bon, je n'ai pas les statistiques à main, mais je n'ai pas l'impression que dans les villages, les gens sont en train de renoncer au bois pour épouser cette nouvelle technologie de, de cuisine. Parce que même en ville, c'est pas tout le monde qui l'utilise. Effectivement. Donc, le nombre, c'est un défi en matière de changement climatique, mais aussi le nombre est un défi en matière de notre capacité à nous organiser et cela implique la responsabilité des premiers responsables politiques qui obligatoirement doivent travailler en concert avec la société civile. Aujourd'hui, euh, l'initiative que Sani représente, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir des jeunes qui sont conscients du défi et qui s'organisent tant bien que mal avec les moyens de bord pour défendre leur cause. Et donc, je pense qu'il y a quand même, c'est le lieu de saluer cette initiative et d'appeler aussi les décideurs politiques pour dire que L'innovation n'est pas très loin. Vous avez des jeunes talents qui ont des idées et qui font progresser des solutions. Aidez-les, supportez-les, ou bien accompagner-les vers d'autres bailleurs de fonds qui peuvent euh, appuyer leurs efforts. Pour que des initiatives du genre puissent être répliquées à l'échelle euh, un peu euh, plus grande. Effectivement, le pays est grand et je reviens toujours sur cet aspect. Tout ce que nous faisons, la plupart des temps, nous n'avons pas accès à des zones aussi reculées, là où aussi les actions communes sont toujours les mêmes, où on peut sensibiliser les gens on peut avoir, si on a les moyens, on peut toujours atteindre le pays plus profond dans les autres régions et puis un peu faire booster l'effet des interventions qu'on est en train de mettre en œuvre. Mais c'est aussi une question de financement. Merci. Sani Ayuba, vous êtes là avec nous Je suis là. Est-ce que le taux démographique de nos pays peut jouer en faveur du climat Ça dépend parce que quand on prend les, cas de certains pays tels que la Chine, euh, euh, qui sont maintenant parmi les pays émergents ou les pays qui, sont plus, malgré qu'ils aiment rester dans les pays les moins avancés dans certaines, négociations. Mais on peut voir que sur la base du travail, écoutez, parce que ce qui différencie les peuples souvent, c'est le travail, c'est la volonté euh, d'aller de l'avant, c'est la volonté du développement, c'est aussi les sur le niveau d'éducation, etc. Tout ce qu'il y a, tout ce que l'État ou, la population elle-même, en tout cas, approprie en termes de développement et le modèle tracé. Donc, tout dépend du modèle. À mon avis, tout dépend du modèle. Si les Niger, on se focalise maintenant sur un modèle de développement sobre en carbone, je pense que euh, peu importe euh, le nombre en cas, peu importe la croissance démographique, c'est possible d'atteindre. Parce qu'il suffit de pouvoir faire un équilibre. Et vous savez, dans le cadre du dividende, on dit qu'il y a plusieurs piliers. Le pilier gouvernance, le pilier euh, éducation, les questions de santé, de sécurité et tout ça. Donc si on arrive à équilibrer tout ceci, je pense que euh, la croissance démographique ne peut pas être un obstacle ou ne peut pas engendrer des effets. Mais imaginez aujourd'hui un pays sahélien où l'économie se repose euh, sur l'agriculture et l'élevage quand on sait que, par exemple, ici, la ville de Niamey, comment elle est agrandie, s'est agrandie rapidement cette urbanisation rapide de la ville a fait en sorte qu'au détriment de beaucoup de terres qui étaient arabes, des terres agricoles, des jardins, etc., sont transformées en maisons. Hmm. Donc c'est déjà une perte, un manque à gagner de, ce côté. Donc cela ne peut que nous mettre dans une situation d'insécurité alimentaire que nous connaissons depuis quelques années maintenant de façon euh, chronique. Donc tout ceci, à mon avis, si on choisit notre modèle, la croissance démographique, on peut les allier ensemble et lutter véritablement contre les phénomènes, les impacts du changement climatique pour que notre puisse, avoir cette capacité de résilience et d'y faire face. Donc c'est pourquoi, mhm. comme on dit, mhm. des solutions existent. Il s'agissait pour nous d'avoir une volonté politique euh, réelle, effective et efficace. Et que la population aussi euh, maîtrise cela, comprenne cela et s'engage euh, à atteindre ce genre de résultats. Oui. Nous revenons à vous, docteur Abdelmoumouni Nouhou comment tirer profit de euh, euh, de sont vraiment conséquentes de cette combinaison démographie et changement climatique. Comment bien se situer Oui, je pense que euh, nous avons dit l'essentiel. avant peut-être. oui, avant de répondre, vous pouvez peut-être rebondir sur les propos de Sani. Oui, oui, effectivement. les propos de Sani, je pense que je suis tout à fait d'accord que si euh, nous investissons dans la jeunesse, nous investissons dans euh, l'éducation, dans l'emploi, parce que le tout, c'est comment faire profiter de nombre de jeunes qui viennent en masse. Aujourd'hui, il y a le, problème de sous-emploi qui est là et qui est fréquent dans le pays. Mais si c'est stock de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, est-ce qu'il est bien formé Est-ce qu'il est bien outillé La question de santé, la question de sensibilisation, en tout cas par rapport aux défis de développement. Si on a un stock de jeunes qui est bien informé, je pense qu'on peut compter sur eux pour valoriser certaines actions ou bien pour même sensibiliser d'autres populations qui, elles, n'ont pas eu la chance, la chance peut-être de fréquenter. Mais au-delà du grand discours, ce qu'il faut dire, pour, le moment, c'est assez simple. Nous avons des marges qui existent en, par les autres initiatives qui, qui, sont faites. C'est des gestes simples et co-responsables qu'il faut que les gens adoptent d'une manière globale. Lesquels, on, par exemple On ne peut pas empêcher quelqu'un de consommer de l'électricité, c'est son droit au développement. Si quelqu'un a les moyens, on ne peut pas l'empêcher d'acheter un véhicule. Mais quel véhicule si quelqu'un a les moyens, on ne peut pas aussi les, euh, euh, l'empêcher de, voilà de construire une maison top qualité avec euh, du bois de, première qualité ainsi de suite mais en consommant l'électricité on peut s'assurer que bon dans tous ces, ministères qui existent dans toutes les maisons qu'il y a qui ont accès à l'électricité peut-être qu'on sera à court d'électricité gérer votre consommation électrique de manière responsable éteignez les lumières dont vous n'avez pas besoin votre véhicule qui est en train de produire, ce n'est plus de, une pollution invisible, c'est de la pollution visible. Vous voyez bien l'échappement, ce qu'il est en train de produire. Suivez la santé de votre véhicule. Si vous avez les moyens dans vos maisons, autour de votre maison, dans vos jardins, plantez des arbres. Il y a une fête spéciale pour ça. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 millions d'habitants. Si chaque Nigérien doit planter un seul arbre, ça veut dire qu'on n'aura que 5 ans ou 10 ans pour véritablement changer euh, l'aspect environnemental de, notre pays. Mais aussi la consommation du bois. Si vous avez les moyens faites un effort, consommez du gaz, qui est là euh, un produit naturel, même s'il n'est pas sans effet, mais quand même, il vaut mieux que d'aller couper le bois et puis d'une manière ou d'une autre contribuer à ce systèmes qui continue à, détruire notre couvert euh, végétal. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'actions, mais tout, tout ceci doit être mis en commun et puis les premières autorités doivent prendre le problème à bras le corps et dire qu'on peut faire quelque chose pendant qu'on a encore la possibilité de le faire. Donc, on revient toujours, nous sommes de plus en plus nombreux, mais aussi nous nous comportons de plus en plus comme les autres. Nous ne voulons pas importer leur modèle de développement, mais si rien n'est fait, la globalisation oblige, ce modèle de développement qu'on a vu ailleurs va s'installer. Les gens vont avoir des véhicules. Le monsieur va avoir un véhicule pour lui, un véhicule pour sa femme, un véhicule pour ses enfants. Le monsieur va avoir un smartphone dernier cri. Tous ces éléments, ce sont des choses que, bon, d'un point de vue euh, écologique, on ne voit pas le lien. On se dit que c'est le droit à la qualité de la vie mais ce droit à la qualité de la vie aussi nous conduit directement vers l'adoption d'un autre système de vie, qui aujourd'hui c'est qui est en train d'être le système dominant. Alors que quelque part, il y a toujours des alternatives. Je voudrais juste ici faire la mention de la théorie de l'ancien prix Nobel de l'économie Amartya Sen, mhm. qui pense que les populations peuvent vivre de manière heureuse, en cohérence avec leurs propres valeurs sans pour autant se laisser dominer par le système dominant pour lequel, bon, la qualité de, de la vie veut dire consommation. On n'est pas dans des meilleures conditions de vie parce qu'on consomme toujours, parce qu'on a des grands écrans, euh, écrans plats, parce qu'on a des gros véhicules qui circulent en ville, parce que tout simplement on, on a des, des, des, privilèges que les autres n'ont pas. On peut aussi être dans des meilleures conditions de vie et être heureux tout en respectant nos valeurs et en faisant les choses utiles. Je pense que c'est ça le mot-clé. Faites des choses utiles et soyez attentifs à vous-même. Ne pas systématiquement ouvrir le regard vers l'extérieur et copier de manière systématique. Je rappelle que j'ai passé trois ans à Genève. Ce sont des villes où le niveau de vie est vraiment incroyable. Mais quand je regarde tout ça, il y a peu de choses qui, qui véritablement m'enchantent, comme le développement du système sanitaire, quand je vois combien c'est développé, combien c'est bien équipé. Ça, c'est un développement vraiment extraordinaire. Quand vous voyez comment le système scolaire est sophistiqué, ça, ce sont des choses vraiment qui méritent d'être importées. Et puis, ce sont des villes, malheureusement, aussi par rapport à nous où les conditions de la route peut-être ne le permettent pas, qui développent d'autres modèles de, transport, de transport, euh, un transport écologique des gens qui, malgré leur statut social, circulent à bicyclette. Ça veut dire que le gouvernement a pris soin de mettre à la disposition des pistes cyclables. Les gens peuvent déposer les gros véhicules. Mais quand vous venez à Niamey aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est le pays le plus riche en termes de gros véhicules qui circulent, malgré que les routes elles ne sont pas disponibles. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une incohérence entre notre mode de fonctionnement et puis les moyens qui sont à notre disposition. Donc globalement, la question des réchauffements climatiques dans un pays comme le Niger, c'est quelque chose qu'il faut considérer de manière holistique. On ne peut pas changer la donne à travers des petites initiatives un peu localisées, mais on peut contribuer. Mais pour avoir vraiment euh, une contribution significative, ça veut dire que les premiers responsables politiques doivent s'impliquer. Les bailleurs internationaux aussi doivent prendre le problème à bras le corps. La même chose comporte un regard sur la question de la croissance démographique. La même chose, on doit porter un regard sur le changement climatique. Parce que c'est ce qui démultiplie en plus souvent nos problèmes. Mhm. Le problème de la malnutrition, euh, le problème de la santé, ainsi de suite. Donc je pense que la solution, c'est de dire qu'il n'y a de solution que dans un cadre global. global. Vous parlez de la migration qui est un autre eh, sujet euh, d'actualité très sensible et effectivement en lien avec le changement Climatique. Sani Ayuba Oui, allô Dites-nous, Sani, comment est-ce qu'aujourd'hui il est possible de garantir l'équilibre entre ces deux phénomènes euh, démographie, changement climatique pour euh, justement trouver le juste milieu et tirer profit. Oui, euh, en tout cas, pour nous, en tant qu'activistes, nous pensons que euh, nous devons, pour euh, vraiment garantir un équilibre entre ces deux phénomènes, faire en sorte que les gens puissent, la population de façon générale, puisse comprendre un peu la relation qui existe entre ces deux phénomènes. Ça, c'est un, premier aspect. Et comment aussi leur comportement peut influencer sur chacun des phénomènes. Donc c'est pourquoi nous nous pensons que euh, chacun en fonction de, ses compétences doit faire en sorte euh, de jouer son rôle. Et il est dévolu que ce soit les acteurs du privé, les acteurs étatiques, euh, non étatiques, chacun a une responsabilité et, que, cette responsabilité elle est partagée. Donc tout ce que nous demandons, c'est que chacun puisse véritablement jouer son rôle. Aujourd'hui, la question ce n'est plus euh, face même au contexte socio-économique avec un peu la pauvreté même qui est généralisée, souvent il y a de, certains milieux qui n'en ont même pas besoin de sensibiliser les gens pour réduire ou espacer le nombre d'enfants. Donc c'est une question de responsabilité et cette question-là, elle est, partagée. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête euh, par rapport à certains phénomènes tels que les mariages précoces euh, dans nos pays où des enfants donnent naissance à des enfants, c'est inadmissible ça ne peut qu'accentuer le phénomène. ce n'est pas le type de modèle de développement que nous devons choisir. J'étais récemment au Rwanda. Au Rwanda, si la fille n'a pas plus de 18 ans, elle ne peut pas être mariée. Ça, c'est dans la loi. Même dans les villages, c'est accepté. Aujourd'hui, ici, quand on parle de cela, les gens vont amener d'autres théories, soit des théories ou des théories traditionnelles qui ne tiennent pas parce que la religion prône quand même le bien-être de la famille faut le dire, tous les textes sacrés prônent le bien-être de la famille, le bien-être de la femme et de l'enfant. Donc aujourd'hui, il faut que nous comprenions cela. Il faudrait que nous acceptions d'avancer. C'est surtout cela. Aujourd'hui, le véritable problème qu'on a dans nos pays, en Afrique, dans nos pays en voie de développement, c'est que d'autres trouvent même dans le fait de notre vulnérabilité comme une opportunité. Donc il faudrait rester dans euh, ces carcans-là pour dire qu'on est toujours vulnérable. Il faut qu'on évolue. Beaucoup de pays nous montrent l'exemple. Il y a des modèles qui existent dans euh, ce domaine, dans, le domaine de la transition démographique, dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques, des pays africains qui ont presque les mêmes caractéristiques que les nôtres, que ce soit du point de vue religieux ou du point de vue culturel, font des efforts pour avancer. Donc au Niger aussi, nous devons accepter de faire des efforts pour avancer, pas seulement pour nous, mais véritablement pour les générations futures. Parce que un des anciens ministres de l'Environnement, lorsque nous avons fait un documentaire, il nous disait que notre génération actuelle a déjà épuisé les ressources naturelles qui sont mises à sa disposition. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer Qu'est-ce qu'on va laisser pour les autres générations les termes de ressources naturelles donc il est important que nous prenions toutes ces questions euh, en, charge, que nous puissions les internaliser, les comprendre et agir en conséquence. Bien. Euh, docteur, des pistes de solutions euh, pour, avoir justement des modèles de développement qui répondent à nos besoins et qui ne remettent pas en cause les besoins des générations futures Je pense que c'est une question un dilemme mhm. parce que la question des modèles de société ce n'est plus simplement au-delà de, de, nos actions quotidiennes, mais c'est aussi en termes de, de nos croyances, de, nos valeurs, et puis de ce que nous aimerions bien voir notre cher Niger devenir. Je pense que c'est déjà ça le premier point. Il faut que chaque Nigérien puisse rêver d'un Niger idéal dans lequel il veut vivre. Et l'adage dit soyez le changement que vous voulez voir uh-huh. autour de vous. Uh-huh. Donc ça veut dire que ici, chacun où nous sommes, Sani l'a rappelé, c'est une responsabilité commune. Chacun a une parcelle de responsabilité qu'il doit assumer. Même si c'est différencié. Exactement. Ne serait-ce que si vous n'avez pas le moyen d'agir, sensibilisez au moins votre prochain, dites-lui. Et si vous ne pouvez pas le faire, faites de votre mieux, en tout cas s'il vous arrive à vous, de faire toujours le choix qui sera favorable à la société dont vous rêvez. Et donc, il y a beaucoup de questions qui s'entrecoupent où on a, bon, euh, à l'absence de l'instruction, vous avez beaucoup de fatalisme où les gens vivent au jour le jour et pensent que c'est Dieu qui amène tout, alors que lui, il dit de manière explicite qu'il n'amène pas un peuple dans une situation dans laquelle il n'a pas de responsabilité. chaque chose que nous vivons, c'est en partie le résultat de nos choix que nous opérons. Mmh. De manière individuelle, responsabilité. De manière collective, responsabilité. Et donc, je pense que c'est cet appel qu'il faut lancer à l'endroit, non pas seulement des décideurs politiques ou aux acteurs de la société civile, ou bien à nos chercheurs qui aujourd'hui travaillent pour améliorer la situation, mais à l'endroit de tous les Nigériens. J'étais récemment à la soutenance d'une thèse au niveau de CRESA c'était effectivement sur comment adopter l'agriculture 2000 au changement climatique. Il y avait beaucoup de pistes qui ont été élaborées et je pense que de ce point de vue aussi, on a quelque chose à soutirer du côté de la recherche. Donc, quasiment de manière globale, c'est toutes les solutions qui s'offrent à nous. Ici, sur ce plateau, il ne serait pas possible de décliner l'ensemble de programmes qu'on pourrait mettre en place pour un changement de, euh, euh, de modèle de vie. Mais je pense que globalement, l'idée est là, c'est de dire qu'avec la volonté, nous pouvons arriver à une situation idéale. Un Niger où tout le monde sera capable de se nourrir, de s'occuper de ses enfants, et s'il a besoin de se mettre à l'ombre pour se rafraîchir. Et c'est ce Niger dont nous nous revons. Sani, un dernier mot Sani Ayouba Oui, euh, moi je pense que c'est le dernier mot, c'est que je voudrais juste que, en tant que Nigérien, que nous puissions euh, vraiment prendre cette question en charge et véritablement euh, voir, parce que même au niveau du ministère en charge des questions de population, souvent c'est difficile, n'arrive pas trop les liens avec euh, la question démographique et la question du changement climatique. Aujourd'hui, il faut que nous comprenions qu'il y a un véritable lien qu'il faut faire et qu'il doit y avoir une synergie d'action pour euh, résoudre ou bien pour contribuer à la, réduction euh, du phénomène ou des problèmes. Donc euh, moi, j'en appelle à ce qu'il y ait vraiment plus de concertation multi-acteurs de façon inclusive pour qu'ensemble on puisse tenir compte de tout ce, que, tout ce que nous avons comme contribution des chercheurs, contribution de la société civile, chacun en fonction de sa sphère de compétences puisse apporter sa pierre à l'édifice commun qui est de bâtir un Niger résilient pour aujourd'hui et demain un Niger résilient pour aujourd'hui et demain. Docteur, un dernier mot, docteur, vous voulez réagir Je voudrais juste dire merci Sani pour cet éclaircissement et je pense que nous allons continuer à travailler ensemble pour un Niger meilleur. Merci à tous. Nous étions en compagnie donc euh, de nous, docteur Nou Abdelmoumouni, expert démographe et directeur pays de l'initiative Oasis, donc euh, organiser l'avancement des solutions au Sahel, et Sani Ayouba qui était en ligne avec nous et les coordinateur de jeunes volontaires pour l'environnement. Merci à vous d'avoir honoré cette invitation, d'avoir été euh, donc avec nous durant ces 45 minutes. Fin du forum de ce soir. Bonsoir.